Ce jour est un jour historique. C'est un moment historique et c'est un grand jour. Et c'est l'occasion de rendre hommage au président Macky Sall, grâce à qui, aujourd'hui, nous avons ce projet de loi qui nous est soumis. Le président Macky Sall, après avoir rendu effective la loi sur la parité, après nous avoir permis à nos femmes de pouvoir donner la nationalité à nos enfants et à nos époux, après avoir permis à la femme sénégalaise de porter la tenue militaire, aujourd'hui, le président Macky Sall vient encore, de par son engagement personnel, mais également de par vraiment sa volonté politique de nous gratifier de, cette loi que nous allons, j'en suis sûr, voter aujourd'hui, hommes et femmes, à l'unanimité. Monsieur le ministre, je voudrais également inviter les populations sénégalaises à la culture de la dénonciation. Il est important, c'est vrai, de voter une loi que des femmes ont portée, que des parlementaires ont portée, mais il est essentiel également que les populations puissent dénoncer. Dénoncer, ce n'est pas négatif. Dénoncer est important parce que cela permet à la justice cela permet d'aider à la, justice sénégalaise de pouvoir mener à bien cette mission à lui assigner. Je voudrais inviter les populations sénégalaises à concourir, à concourir à la disponibilité, à la disposition des pièces, des preuves quand un viol est constaté. C'est extrêmement important. Et c'est cela qui pourrait faire de cette loi une réalité. Cela pourrait concrétiser cette loi. Et c'est là où on aura toute la valeur de cette loi. Monsieur le ministre, avant de faire de la politique, pendant plus d'une décennie, je m'activais dans le domaine de l'enfance. Je suis la présidente de Protect Children Je peux dire que je n'ai pas vécu directement le viol, mais j'ai vécu le viol, monsieur le ministre. Parce que j'ai eu devant moi des femmes, j'ai eu devant moi des enfants qui ont vécu le viol j'ai eu devant moi, et cela m'a profondément marqué, une fille de 12 ans, violée par son père, qui de quoi est un homme de tenue. Monsieur le ministre, je salue le courage du président Macky Sall. Je salue également le courage des Sénégalais et des Sénégalaises qui ont porté ce combat. Je salue le courage du président de l'Assemblée nationale, le président Moussa Monsieur le ministre, vous avez wax que, vous bu ñu combat ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñoo ñu jiital muy jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi ni jàkkaarloog man di jigéen société civile bi yow organisation féminin yi di xeex boobu ba tey ñun tey ñu màgg ànd ak ñoom di xeex nekk ay député ànd ak ñoom di xeex ba lii am tey ku leen gàcce ngaalaama kenn du yéen monsieur le ministre may wax ne loi bi am na solo di rafetlu liggéey président Macky Sall ak courage bi mu am waaye nag di wax askanu Sénégal ngeen di boole parce que tab bu bënnul du wër l'abcès qui ne crève pas ne guérit pas Quand askanu Sénégal di nous Sénégal ku ngeen gis mu violé seen doom wala mu violé kenn ci gox de di leen boole di leen également indi ay preuves.